chèque yu métti yi nga xam ne mutuelle yi moom la ñuy def booy ñëw di leb xaalis neexul benn yoon yenn militant yu fare ci APR bu diwaanu Kër Massar Nord te jege responsable bi ñuy wax Pape Ibrahima Demba. dañoo gis ne microfinance yi nga xamante ne moom la ñu moo ñu créé tey jii nii présentement taux bi dafa yéeg mooy de trop ba tax na femmes yi dañoo xaw a ragal sax banque yi pour mun a dem leb foofu. motax tax ñoom ñu ngi ci direction réglementation ak supervision des systèmes financiers décentralisés mu daldi ci indi ay safara état bi direction de la réglementation aussi ma leni def appel pour ñu revoir a investigation pour xoolaat taux yi. waaye galaa am fu mu Pape Ibrahima Demba ak ñu mu ñoom de dañoo tek Ben, projet di lebalante xaalis seen biir ba daldi am lu tollu ci dix millions ñu fas ko jaklel ay soxna ci tabaski bi raison pour laquelle ñu créer projet bi danañ jël xaalis moo ñu distribuer ko à la veille de la fête de la tabaski jur benn valeur bu toll ni presque dix moo tax soxna yooyu de ak benn sëriñ bu bàyyeekoo Touba muy abi Mbacke sàkku ci nguur gi ñëw dimbale waa Kër Massar noor ci wàllu ay financement ngir ñu mën a xeex ndóol bi nga xam ne daf leen sonal ci gox ba.

lu weesu loolu coow bi am ci kujjee politik bi jaaxal na leen. yaakaar naa ne képp koo xamante ne nii mooy opposition bi dañuy dem pour ne dañuy demande suffrage sénégalais yi. Les war aussi institution yi ni constitution. taux élevé des prêts au niveau des institutions de microfinance des militants de l'Alliance pour la République de la commune de Kermassar Nord proche du responsable politique Pape Ibrahim Demba déplore. les taux de prêts sont tellement élevés au point que les femmes ont tendance à fuir même ces microfinances. Ils invitent d'ailleurs la direction de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés à sévir j'interpelle la direction de la réglementation de faire des investigations par rapport aux taux qui sont mis à la disposition des GIE parce que les femmes ont tendance maintenant à fuir même ces microfinances. Mais en attendant cela, Pape Ibrahim Demba et ses militants ont mis en place un système d'économie solidaire jusqu'à obtenir 10 millions qui seront distribués aux femmes pour les besoins de la fête de la Tabaski. Raison pour laquelle nous nous sommes investis financièrement chaque mercredi il y a un montant euh, qui, est dégagé. Un an après, ça a donné une somme de presque 10 millions qui sera distribuée aujourd'hui même. L'État est également invité à soutenir cette initiative pour lutter contre la pauvreté selon les femmes bénéficiaires et ce guide religieux Serigne Abib Mbake. On a vu l'aide de personnes à part Pape Ibrahim Demba. Pape Ibrahim Demba a posé un acte fort qui participe à la lutte contre la pauvreté des femmes. C'est le lieu pour moi d'interpeller les autorités et en premier lieu le président de la République pour soutenir la démarche de Pape Ibrahim Demba par des financements. La tension politique qui sévit dans notre pays préoccupe également Pape Ibrahim Demba et ses proches. nous, notre principe premier, c'est nous sommes des militants du respect des lois et des institutions. Sur ce, donc j'en appelle à l'opposition. Je crois que toute personne qui, qui aspire à demander le suffrage des Sénégalais, la première des choses, c'est de respecter les institutions aussi, les lois.